Lundi 15 mai 2023, chers auditeurs du studio Kalangu, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangu. Je suis Ali Moukela Ouseni, alias Seno, et aujourd'hui je suis avec Fanta Chamsou. Fanta, comment tu vas Je vais bien Seno, et toi, comment tu vas Alhamdulillah, je vais bien aussi. Et on n'oublie pas de faire un petit coucou à ceux qui assurent de l'autre côté du studio. La technique est assurée par Aminatou Hassan et Adam Adoua qui a l'édition. Dis-moi, c'est une à quoi pour nous ce matin pour commencer, Fanta, nous allons faire le tour euh, de l'actualité dans le flash d'information. Et aujourd'hui, direction Agadez pour le reportage région. Il y aura également du loti, de la culture linguistique et tout plein de rubriques. Et ce matin aussi, nous, nous sommes avec Haruna Abdul sociologue et délégué de la commission conférence exposée et débat de l'UNUN, nom des étudiants nigériens de l'Université de Niamey. Chers auditeurs, c'est avec le flash d'information que nous allons ouvrir cette émission. Il nous sera présenté par Rafika Ataer. Rafika, bonjour. Bonjour, c'est nous. Comment ça va Comment ça va, Fanta ça va. Alors, euh, quelles sont les infos ce matin Eh bien, pour les infos, dans le cadre de la modernisation du système statistique national, l'Institut national de la statistique, avec l'appui technique de la Banque mondiale, a initié un dialogue le vendredi passé entre les producteurs et les utilisateurs des données statistiques dans l'Université de Niamey. L'objectif étant d'améliorer les analyses et l'utilisation des données pour la prise de décision. Par ailleurs, la directrice de l'INS, Madame Takubakoy Amina a plaidé pour le renforcement de cette franche collaboration avec l'ensemble des universités du pays et davantage d'interactions avec les centres de recherche, les écoles, les, les écoles de formation, etc. Ensuite, nous avons la campagne nationale de sensibilisation des recommandations du Forum national sur la surcharge routière à l'intérieur du pays qui s'est poursuivie à Gaïa le 12 mai passé aussi. L'objectif de cette mission vise à sensibiliser les principaux acteurs des transports et du commerce. D'après le chef de la mission, M. Mustafa Kadi, la détérioration de cette importante taxe routier qui lie le Niger au Bénin et au Nigeria a provoqué l'usure de milliers de camions, qu'ils soient surchargés ou non, et a fait augmenter les coûts du transport au Niger, ce qui a contribué à réduire le commerce. Et enfin, dans la région de Difa, qui est en proie à l'insécurité depuis 2015, 9 décès maternels ont été enregistrés au centre de santé mère et enfant sur environ 800 admis au premier trimestre 2023 et le décès infantile passe à 75 sur 1231 sortants selon le directeur du centre, qui indique aussi que la malnutrition sévère de la zone de Difa est en hausse avec une administration de plus de 4000 cas sévères en 2023. Une des priorités principales du centre est la réduction de la mortalité maternelle et infantile qui reste très élevée, tout comme la malnutrition sévère dans la zone de Difa. C'est tout pour ce flash d'information. Merci euh, Rafika. Cher auditeur, comme annoncé, notre invité de ce matin est Haruna Abdelmoumouni. Lui, c'est le délégué de la commission conférence exposée et débat de Lyonoun. Abdelmoumouni, bonjour. Bonjour. Bonjour délégué. Bonjour. Alors, euh, avec vous, nous allons parler de la citoyenneté responsable. Mais avant, nous allons d'abord souffler en musique. Cher auditeur, je vous invite à écouter ce magnifique morceau de Maman Barka. On écoute. आखिर की kuma dole ka ɗauka arme arme akwai irin na dubara ka ba da gero a baka tsakuwa arme arme gida gara a yi shi yarinya ta gana ta da samu arme arme akwai na karhi da yaji tunda ka zo a yi dole ka ɗauka arme gado a ɗauki uwa a baiwa dangi arme arme akwai irin na shaidani tunda kina soje ki ki zauna arme ke uwa ki zaba da kanki kar a gaba ki ce an kware ki kai dan uwa na ka zabi da kanka kar a gaba ka na shiga uku me arme daɗi me wahala arme da daɗi me hidali Allah ka bani mace ta kirki ki jinjira a bai wa jinjiri yaro ba shi ɗaukan yaro sai dai su rungumi juna su faɗi armi mai gida randa ya sallube ka shiga uku uwar gida rike mai gidanki amma matsayin da kwai soyayya amma matsayin da kwai soyayya arme daɗi arme ji dali arme daɗi arme wahala arme da daɗi arme ji dali allah ka bani mace ta kirki arme na san akwai na dole arman da ba hujja ba dalili dalili almarin gida gara a yi shi yarinya ta gana ta da samu alme akwai na karhi da yaji alman da ba hujja ba dalili alme na san akwai na gado Et eh oui, armée de d'Adadi, armée Wahala, le mariage est doux le mariage est amer, affirme Maman Barka dans ce titre. L'artiste Maman Barka peint dans ce morceau armé l'image positive du mariage et aussi son côté moins positif, je dirais, tout en souhaitant avoir le bon partenaire. En tout cas, nous espérons que vous avez aimé ce morceau. Et oui, Maman Barka, auteur, compositeur, interprète, il s'est fait connaître par sa pratique du kourmi ou gourmi, un instrument traditionnel à deux cordes pincées Grâce à une bourse de l'UNESCO reçue en 2002, il se rend au pays des Boudouma dans le bassin du lac Tchad et rencontre Boukhar le dernier interprète de Biram encore vivant. Il recueille les secrets liés à cet instrument sacré à cinq cordes et les paroles de chants mystiques qui lui sont associés. En 2008, il joue au Oumad avec le percussionniste Omaru Adamou, puis enregistre un disque avec lui chantant dans les différentes langues du Niger, le Boudouma, Hausa, Toubou et Kanouri. Il interprète des morceaux traditionnels mais aussi des chansons personnelles évoquant des thèmes contemporains et engagés comme par exemple dans Niger, mon beau pays ou encore dans Presse Libre. Abdelmou on espère que vous avez aimé ces sons. Effectivement, <laughs> euh, je me suis beaucoup retrouvé parce que c'est d'abord euh, une thématique euh, qu'il a prise et l'a développée comme ça se doit. Je pense que et avec humour aussi. Avec humour effectivement. <laughs> voilà. <laughs> Merci euh, Abdelmoumouni pour commencer, euh, par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, alors comment définissez-vous la citoyenneté responsable euh, Merci d'avoir, euh, avant de procéder à la définition de la thématique en tant que telle, la citoyenneté responsable, mhm. je tiens d'abord à vous remercier pour l'occasion que vous m'avez offerte mhm. aujourd'hui de m'adresser, n'est-ce pas, au public pour, sur cette thématique de citoyenneté responsable. Je tiens très sincèrement à encourager les studios Kalangu et particulièrement vous qui avez fait appel à moi parmi cette mosaïque des personnes capables de pouvoir venir euh, faire, euh, n'est-ce pas, un échange, si je peux le dire, sur euh, la question de la citoyenneté responsable. Mm-hmm. Donc, à ce niveau, vraiment, nous tirons chapeau au studio Kalangu par rapport à la définition maintenant de la citoyenneté responsable. La citoyenneté responsable n'est rien d'autre qu'une façon, n'est-ce pas, d'agir et des pensées qu'un citoyen peut adopter pour pouvoir apporter sa pierre à l'édifice au sein de la communauté dans laquelle il vit. Mhm. Donc euh, voilà, nous, la conception, euh, à mon niveau, la conception qui j'ai de la citoyenneté responsable. Parce que d'abord, il faut être imbibé des valeurs, il faut vraiment être un citoyen d'abord et par la suite devenir un citoyen responsable. C'est-à-dire... amène à la prochaine question, comment devenir un citoyen responsable euh, pour devenir un citoyen responsable, je pense que d'abord, il faut vraiment être imbi des valeurs, comme je l'avais dit tout à l'heure. Mhm. Donc, il faut euh, créer les conditions pour connaître d'abord ses, devoirs mhm. avant de cramponner à ses droits, parce qu'on a tendance aujourd'hui, malheureusement, à considérer que quand on est citoyen, on a été des droits, mhm. alors que nous avons d'abord des devoirs qu'il faudrait d'abord assouvir, qu'il faudrait satisfaire d'abord et par la suite réclamer nos droits. Donc, c'est ça euh, en première position. Et deuxièmement, il faut savoir que dans la société où nous vivons, dans notre pays, nous avons des, il y a des règles, et surtout qui sont là, il y a des lois mhm. qu'il faudrait respecter. Il faudrait d'abord intérioriser, chercher à comprendre. Mais pour les comprendre, d'abord, il y a un défi qui est là. Il faudrait être, euh, n'est-ce pas, cultivé. Mhm. Il faut être instruit. Et malheureusement, il y a un handicap qui est là aujourd'hui la quasi-totalité de, la population nigérienne, quand on essaye de faire une analyse scientifique, on se rend aisément compte que la quasi-totalité de la population nigérienne aujourd'hui est analphabète. Et pratiquement, les principes qui régissent aujourd'hui notre euh, pays sont euh, fondamentalement euh, élaborés en langue française. Et je pense mmh. qu'aujourd'hui, pour pouvoir les décortiquer, les comprendre mmh. Mmh. comme ça se doit, et jouir et pratiquer cette notion de la citoyenneté responsable, il va falloir être imbu de ces valeurs-là, comprendre que effectivement nous avons des droits et que nous avons des, des devoirs. Mais pour ce faire, je pense qu'il faut à ce niveau aussi, sans pour autant jeter des, des au studio Kalangu, mhm. procéder à la même façon que Studio Kalangu est en train de faire en faisant des traductions. Mhm. Vous pouvoir, euh, n'est-ce pas, véhiculer partout au niveau des à l'échelle nationale pour que les citoyens puissent comprendre effectivement voilà ce qu'il faudrait faire pour pouvoir en tout cas apporter sa pierre à l'édifice parce que les défis auxquels aujourd'hui la nation est en train de faire face sont énormes et en tant que citoyen, vraiment nous avons une responsabilité à pouvoir apporter, euh, à pouvoir accomplir une contribution à apporter à la construction nationale. Alors, vous êtes euh, le délégué général de la commission conférence, exposé et débat de la CCD hein, de Lienoun et la mission de cette commission est d'assurer la formation idéologique, politique et syndicale. Alors dites-nous, quelles sont vos activités euh, que vous menez pour promouvoir la citoyenneté responsable au sein de cette communauté estudiantine euh, Merci beaucoup. Euh, cette question, je pense qu'elle est tombée à pied nommé parce que au niveau de l'université, nous, nous avons un canevas d'activités que nous menons chaque jour. Pratiquement, on a, euh, chaque semaine plutôt, Ok. pratiquement, on a une moyenne de trois activités qui se tiennent chaque, chaque semaine. Mhm. D'abord, les lundis, on fait une activité dénommée autour de l'actualité. Autour de l'actualité, ouais, j'ai l'habitude de prendre part à cette activité. Effectivement, je pense que vous avez l'habitude d'intervenir au niveau de cette émission-là. Mhm. Donc, euh, par rapport à l'émission autour de l'actualité, on profite pour pouvoir faire le tour mhm. de toutes les questions qui font la in à mhm. l'échelle nationale, internationale, mhm. pour que pour amener, n'est-ce pas, les étudiants à pouvoir avoir un œil regardant ce qui se passe à l'échelle nationale, mais aussi et surtout à l'échelle internationale, de s'informer et de pouvoir savoir quels sont les enjeux du moment et par la suite, peut-être par la voie de conséquences, savoir comment agir pour pouvoir juguler s'il y a un problème qui est là, auquel on fait face. Voilà, avant, de continuer, nous allons encore faire une pause musicale. On va vous laisser souffler. on va <laughs> aussi souffler en musique, n'est-ce pas, nous. <laughs> Exactement. Eh bien, euh, le prochain son que nous allons savourer, euh, c'est un featuring entre Rasgaz et la, euh, de la formation dit démocrates, de la formation dit démocrate Il est en featuring avec Benji, ça donne tout simplement Village Positif. On écoute. Wachano, hey. Bombo clap, ça devient comme ça le village politique béni. C'est rap gaz, démocrate, one love. Benji on dit quoi? Yes, yes. mana mercy mercy mercy mercy on a ladder and mercy pizza pizza akashimu yahi pizza number una nyame zender pizza pizza akashimu yahi pizza number Must have una nyame zender master bend shi razagas razagas da muka kila c'était Village Positif chanté par Razgaz et Bendy, un morceau très dansant, sinon je te voyais bouger depuis. <laughs> Tout à fait, Fanta, j'adore cette chanson. Euh, j'espère que nos auditeurs et auditrices euh, ont également bien bougé sur cette magnifique sonorité musicale. <laughs> Retour au studio. Alors, Abdul Moumouni, parlons à présent de la jeunesse des, étudiants actuels, est-ce qu'ils incarnent l'image du citoyen responsable, surtout quand il y a manifestation euh, merci. Euh, je pense qu'avant également de répondre à cette question, je voudrais un peu revenir sur euh, les types d'activités que nous menons. ok, ok, de, ok. De l'université, en tant que commission déléguée générale d'abord de la commission des exposés, conférences et débats. Je disais tout à l'heure, on fait une émission dénommée autour de l'actualité. Et par-delà cette émission, également, on fait appel chaque euh, jeudi ou samedi, si vous voulez, mhm. euh, une grande personnalité de ces pays pour pouvoir euh, être à la place AB, mhm. faire euh, une conférence dans le cadre, n'est-ce pas, de la formation citoyenne. Donc je pense qu'à ce niveau, la CECD aussi crée les conditions, profite des occasions pour pouvoir sensibiliser davantage les étudiants autour mhm. de la question de la citoyenneté responsable. Parce qu'aujourd'hui, et tout, récemment, quand vous prenez, on a fait une conférence sur euh, comment combattre la désinformation. Aujourd'hui, il s'il y a une question qui, fait, qui blesse beaucoup la cohésion sociale, la solidarité nationale. La bonne marche ou le développement de ces pays, c'est surtout la désinformation. La désinformation. Avec surtout euh, quand vous prenez les réseaux sociaux, mhm. euh, à chaque fois qu'il y a une information, on balance tout ça là, sans pouvoir détecter sa véracité. Je pense qu'un bon citoyen, on doit savoir euh, d'abord quelle est la véracité, la source de l'information avant de pouvoir la relayer. Mhm. Donc je pense que nous sommes euh, vraiment en train de faire de notre mieux au niveau de l'université pour que les étudiants puissent vraiment prendre conscience, pour qu'il y ait vraiment un éveil citoyen. Mhm. Alors, Revenons à, présent à la question que je vous ai posée tout à mhm. l'heure. Hein. Alors, euh, est-ce que les étudiants de l'université, bien sûr, hmm. ou bien d'une manière générale, des autres universités également, mais on parlera plus précisément de l'université Aboumoun de Niamey parce que vous êtes délégué euh, de la commission conférence, exposé, débat au sein de cette université. Alors, est-ce que les étudiants incarnent l'image du citoyen responsable, surtout quand il y a manifestation euh, merci beaucoup. Sans contour par rapport à, la question, n'est-ce pas, aujourd'hui, du comportement euh, des citoyens responsables, est-ce que Aujourd'hui, les étudiants qui nous sommes, nous incarnons cette valeur-là de la citoyenneté responsable. Mm. Je pense que pour qu'il y ait une bonne citoyenneté responsable, d'abord, il faut qu'il y ait un enseignement à la base de la mm-hmm. citoyenneté responsable. Mm-hmm. Et aujourd'hui, malheureusement, quand vous essayez de, faire une analyse, de faire, n'est-ce pas, une analyse rétrospective, vous allez vous rendre aisément compte que aujourd'hui, le Niger est en train de, perdre les fils conducteurs même de la formation de la citoyenneté responsable. Parce que l'instruction civique, la morale, des choses aujourd'hui qui doivent être enseignées au niveau des, établissements scolaires mhm. sont en train d'être abandonnées. Et au niveau de l'université, moi je pense qu'on peut instituer même une matière mhm. qui doit enseigner aux étudiants comment agir en tant que bons citoyens et qu'est-ce qu'il faudrait éviter. Et aujourd'hui, pour revenir maintenant spécifiquement mhm. sur la question et euh, donner une réponse euh, à celle-ci, je pense qu'aujourd'hui, les étudiants que nous sommes, généralement, je ne suis pas en train de, défendre les étudiants pour mhm. dire que manifestent un comportement de citoyen responsable, mhm. mais il faut se dire la vérité. Aujourd'hui, quand il y a une manifestation, la manifestation, qu'est-ce qui amène les étudiants à faire une manifestation C'est quand il y a une insatisfaction quelque part. Mhm. Et quand il y a une insatisfaction, nous sommes dans un régime de déclaration. Mhm. Vous partez, vous déposez une déclaration, vous voulez faire une manifestation. Généralement, vous pouvez déposer plus de cinq fois, on vous refuse toujours l'autorisation de faire une manifestation pacifique. Et quand la frustration arrive généralement à son comble et mhm. qu'il y a des débordements, les étudiants vont sortir. Déjà, la colère est arrivée à son paroxysme. Mhm. C'est bien normal quand ils sortent qu'il y ait vraiment un, comportement euh, indécent qui se manifeste et qui se dégage. Mhm. Donc je pense qu'à ce niveau, les étudiants peuvent avoir tort dans une mesure où c'est des citoyens, quand ils sortent, au lieu de s'attaquer euh, à la vraie cible, moi, je pense que généralement, on constate que au lieu de faire ça, on s'adonne à des pratiques tendant à délabrer ou à vandaliser mhm. les biens publics. Et ça, je pense que vraiment, ça porte préjudice mhm. à la citoyenneté responsable. Mais l'autorité également doit savoir que oui, oui, oui, oui, oui. Euh, doit savoir effectivement que, <laughs> honnêtement, uh-huh. quand il y a des situations, quand il y a des, des, droits des militants uh-huh. et de, de, notre organisation qui sont vraiment en danger, qui sont en insécurité, il va falloir les satisfaire uh-huh. pour que les étudiants puissent ne pas être en colère parce que généralement, c'est cette frustration qui pousse <coughs> à un comportement indécent. Euh, qui porte préjudice, qui blesse ce qu'on appelle la citoyenneté responsable. Ok, Abdou Mouni, merci euh, infiniment d'avoir répondu présent à notre invitation. Euh, je, rappelle que vous êtes sociologue et délégué de la commission conférence exposés et débats de l'université Abdou Mouni de Niamey de Lyonoun, euh, qui est une structure syndicale, bien évidemment, au sein de l'université Abdou Mouni de Niamé. Alors, nous serons ravis de vous recevoir dans cette émission pour parler d'un autre sujet et à présent, excellente journée à vous. <laughs> Merci, <laughs> Chers auditeurs, nous sommes lundi et aujourd'hui, notre rubrique hebdomadaire porte sur le droit. Bien sûr, c'est nous. Ce matin, nous allons parler de l'action en justice, qui est l'acte juridique par lequel une personne saisit un juge investi du pouvoir de trancher les litiges. Plus de précisions avec euh, un expert juridique interrogé par Rafika Ataer. Expliquez-nous la notion d'action en justice. L'action en justice est définie par euh, le Code de procédure civile applicable au Niger, en son article 11 qui dispose, je cite, L'action est le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Et pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter du bien fondé de cette prétention. Et au terme de l'article 12 du même Code de procédure civile, je cite, L'action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt au succès ou au rejet de leur prétention. » Ainsi définie, l'action en justice correspond au droit ou à la faculté permettant à une personne de s'adresser à un juge afin d'obtenir le respect de ses droits. Tout citoyen donc, ou disons tout justiciable, a le droit et la liberté de saisir la justice, soit pour y attraire ou poursuivre une tierce personne, soit pour se défendre contre la violation de ses droits. Quelles sont les conditions pour la mise en œuvre de l'action en justice Il ressort également de cette définition légale de l'action en justice une double conditionnalité pour sa mise en œuvre, à savoir notamment l'intérêt de celui qui introduit la dite action en justice et la qualité de celui-ci. L'intérêt à agir est prévu par la loi pour éviter d'encombrer les juridictions de procès inutiles à travers euh, des procédures ne reposant sur aucun fondement sérieux. Quant à la qualité à agir, son caractère impératif permet d'éviter l'ingérence ou l'intervention intempestive d'autrui dans des procédures qui sont loin de le concerner directement. Une autre condition, il faut le préciser, pour euh, la mise en œuvre de l'action en justice, une personne, en raison de son âge ou d'une quelconque incapacité, ne peut agir en justice sans l'obligation d'être représenté ou assisté par une tierce personne, conformément aux règles régissant l'état et la capacité des personnes. notons enfin que l'action en justice peut revêtir plusieurs formes correspondant aux moyens par lesquels elle est introduite devant les juridictions. Quelles sont les différentes formes d'action en justice s'il il en existe plusieurs Les actions en justice sont, pour ainsi dire, multiples et multiformes. Ici, nous ne citerons que les actions les plus courantes, à savoir l'assignation, la requête et la plainte. Et l'assignation désigne en procédure civile la convocation que le demandeur fait délivrer par un huissier de justice au défendeur pour voir ce dernier comparaître devant le tribunal. Donc le demandeur, euh, c'est celui qui introduit l'action en justice. Le défendeur, c'est la personne qui est convoquée devant le juge. Voilà, donc la requête, quant à elle, correspond à l'action injustice qui permet de saisir directement le juge sans passer par un huissier de justice. Donc pour ce qui est de la, de la plainte, donc la plainte désigne l'action injustice qui vise à poursuivre et à condamner l'auteur d'une infraction à la loi pénale. Voilà, c'était là les précisions avec notre expert juridique euh, interrogé par Rafika Ataer. À présent, Fanta, poursuivons avec euh, de la bonne musique et cette fois-ci, je vous propose l'une des grandes figures emblématiques de la musique nigérienne. Il s'agit de Mamar Kassé avec ce titre Meige C'est parti. Et eh oui, Maïgé Touré, cher auditeur, c'est le titre de ce morceau du groupe Mamarcassé. Fanta, sais-tu que ce groupe porte le nom d'un grand guerrier légendaire de l'Empire Sogai sur ces noms, je dirais même que ce groupe mérite ces noms car aujourd'hui, c'est l'un des groupes qui fait voyager conséquemment la musique nigérienne un peu partout dans le monde. En 97, par exemple, Mamar Kassé s'est produit au festival de nuits atypiques de Koudougou au Burkina Faso. Et l'année suivante, ils sont à l'affiche des nuits atypiques Langon avec leur premier album Denke Denki. Après cette belle sonorité musicale, euh, cher direction Agadez pour parler euh, de chaussures en cuir appelées aussi Balka en Hausa. Oui, c'est l'une des traditions chez les populations de cette région. Les chaussures en cuir ou balka sont portées lors des grandes cérémonies comme les mariages ou encore la fête de Bianou. Moussa Maman s'est intéressé à ce sujet. Voici son reportage. La confection des chaussures traditionnelles en cuir balka

les chaussures traditionnelles en cuir balka sont utilisées par des hommes et des femmes pour revaloriser les identités culturelles de l'Aïr à travers les occasions de réjouissance sans compter les avantages de son utilisation chez les Touaregs. Rica. On utilise les balkas en des occasions. Souvent, lors euh, des cérémonies de mariage, surtout ça va avec les tenues traditionnelles. Et il y a aussi la fête de Biano. <laughs> Pendant la fête, on l'utilise. En réalité, euh, les chaussures Balka, c'est une structure nationale des chaussures. Elle a trois avantages chez nous. Le premier avantage, c'est vraiment euh, la parure. Quand tu as des chaussures balkas, tu te sens vraiment à l'aise parce que c'est beau, donc c'est attrayant. C'est des chaussures qui protègent vraiment les pieds de manière à éviter les écorchures là, puis les épines pendant la chaleur, ce que nous nous appelons EG, la chaleur, elle agit au niveau de la plante du pied, beaucoup même, et elle rend mal. Donc ces chaussures la protègent le corps. De nos jours, l'on constate la déperdition de nos valeurs culturelles et historiques, car la génération d'aujourd'hui préfère porter des chaussures fabriquées à l'extérieur que notre balka traditionnel. Merci Moussa, qui nous retrouvons d'ailleurs à l'autre bout du fil. Bonjour Moussa. Bonjour. Ça va, vous allez bien depuis Agadez ça va bien, ça va bien à Gadez. Super. <laughs> voilà, est-ce que... Ça va bien, il fait chaud à Gadez, c'est tout. Ah, ah, bon Il fait chaud aussi à Niami. La température, elle est à 45 degrés à Gadez. 45 actuellement On n'est pas loin de ça aussi. Wow, <laughs> effectivement. il y a la poussière aussi également. Hein. Bon, pour le moment, il n'y a pas la poussière. Ah, chez nous ici, euh, ouf, nous nous sommes réveillés avec euh, euh, de la poussière au maximum. Quoi. <laughs> d'accord, d'accord. Pour, revenir un peu au reportage de tout à l'heure, on parlait des Balkans. Mhm. Est-ce qu'on peut retrouver ces chaussures un peu partout au Niger ou c'est seulement à Agadez Bon, on peut, je peux dire, on peut retrouver au Niger, mais Agadez, c'est une particularité au Niger parce que euh, les Balkans, comme vous l'avez écouté dans le reportage, c'est des chaussures, et nous à Gadez, qu'on considère c'est des chaussures vraiment traditionnelles et c'est dans des occasions rares que la population utilise ces chaussures. Quand je dis dans des occasions rares, si aujourd'hui il y a un mariage, si aujourd'hui il y a un baptême, si aujourd'hui il y a une fête spéciale, euh, là, vous allez voir les gens les, les, ressortissants, les autochtones d'Agadez, hmm. là, ils vont porter ces chaussures-là. Et ces chaussures-là, si vous les portez, si vraiment vous les portez, on sent déjà que vous êtes euh, d'Agadez. On sent, si vous n'êtes pas Touareg, vous êtes natif d'Agadez. Et, Ça fait ressortir un hein, peu la tradition de la, de la ville. Hmm. Euh, dites-nous alors, euh, est-ce que ces chaussures-là sont-elles accessibles à toutes les bourses ou bien il faut être d'une certaine classe sociale oui, c'est accessible à toutes les bourses parce qu'aujourd'hui, euh, c'est comme vous avez posé la question au début, c'est mhm. accessible même dans les autres régions du Niger. Mhm. On peut le vendre à Maradi, il y a des cordonniers qui font les Balkans. À Zender, il y a des cordonniers qui font les Balkans. Mhm. Même à Niamey, là chez vous, il y a des cordonniers qui font les Balkans. Ils le font, mais euh, euh, vous les voyez, si les gens se les portaient, c'est spécial, c'est spécial. Ça, ça, sort un peu de la tradition. On sent que vous aimez bien ces chaussures. Ah oui, <laughs> oui à travers Merci beaucoup, Moussa, et bonne journée à vous. je porte ça, c'est pour cela. Ah, super. <laughs> Merci, euh, Moussa. Euh, excellente journée à vous. nous on fait, on fait une petite pause et on se retrouve juste après pour la page sport. nous c'est l'heure du sport. Bien sûr, et aujourd'hui nous sommes avec Gourouza Hassoumi Karimouan pour débuter la semaine en sport. Bonjour Gourouza. Ah, bonjour Sino, bonjour Fanta. Alors Gourouza, nous allons parler de la Coupe nationale du Niger. Oui, Fanta, ah, on a joué eh, ce week-end euh, la première confrontation des quarts de finale au stade général Kounti de Niamey où l'AS Douane Troisième du championnat à disposer de l'USGN. L'USGN, c'est la gendarmerie. Quatrième du championnat sur le score d'un but à zéro. Les poulains de l'entraîneur Zakariaou Ibrahim ont obtenu leur billet grâce à cette victoire pour les demi-finales. Les deux rencontres euh, de quarts de finale se joueront à partir de demain entre les Bleus Blancs du Liberté, 8e du championnat, et l'Akokana d'Agadez, 11e au classement de la 17e journée du championnat national. Enfin, l'autre quart de finale mettra aux prises l'équipe de la garde nationale euh, première du championnat, et l'Urana Darlit, cinquième du championnat. Si vous faites euh, en tout cas le constat, il y a deux clubs d'Agadez euh, dans cette course à la Dame Coupe du Niger. C'est pour vous dire que le sport Agadez se porte bien. Alors le Maroc et le Sénégal en quart de finale de la Cannes U17 qui se joue en Algérie. Ah oui, sinon l'équipe nationale du Maroc s'est qualifiée pour la demi-finale la Coupe euh, d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans en battant le Mali euh, par 6 tirs à 5 au temps réglementaire 0-0. C'était le dimanche à Constantine. Toujours le dimanche à Annaba, le Sénégal a disposé des étalons du de Burkina Faso au tir au but 5-4. Au temps réglementaire, le score était d'un but partout. Les Lyonceaux de l'Atlas, le Maroc, affrontera en finale vendredi prochain les, leur homologue du Sénégal à Alger. Voilà pour le sport d'aujourd'hui. Merci Gourouza pour euh, toutes ces informations sportives et à bientôt. Merci. Fanta, on passe euh, au portrait du jour. Bien sûr, c'est notre star du jour, c'est Mohamed Ahumbul Rissa. Sa spécialité, c'est la préparation du thé Touareg ou Chahi en Hausa, une boisson chaude à base de feuilles de thé vert séché, une préparation en infusion selon une méthode propre à cette communauté du Niger. Il s'est lancé dans ce business en 2020 à l'espace Guntiena de Niamey. Farid Bourema nous dresse son portrait. Ah, ça y est. Muhammad Ahumbularisa na gyara shayi mai zafi cikin tukunya tare da saka masa sukari. Ya bayyana dalilan da suka sa yake sai da shayi. Shekara da shekaru nike wannan. Can da in akwai sabga haka muna zuwa ga masu gidajenmu muna yi musu prestation wannan muna kula da baki wanda sun ka zo to daga ba sai ni ga abin ga me yasa ma ba zai koma ba masana'a tunda can da karahuna ne nike gyara ni makeri ne bijuteri nike yi a traversa duka ina yi sai da shayin buzaye a hilin guntiye na na yamai ya tabbata ne tare da taimakon makusantansa da na hukumomin da'irar yamai sun ka ce mini mu za mu iya taimaka maka da wuri ka zo ka zamana ka kula da wuri kuma ka sai da shayin ka yadda zaka sai da shayin ka kai ka sani na ce musu wannan feti a ferne da zuciya guda cikin plus bibilik lokacin da na samu wurin su suna ce a yanzu ya lalace ya shiga sai da shayi yayi wane ne na kyale kawai na mai da komi ba komi ba komi alhamdulillah cikin farkatara inda ake komi da komi yau rike da kofin shayi rashid da mai sayan shayi Ce monsieur non seulement c'est un cousin, c'est un tamashek. Le cadre est vraiment idéal euh, pour euh, se reposer, prendre du thé. Et l'autre chose qui me plaît le plus, c'est que en dehors ou au-delà du thé qu'il est en train de faire, le service, il est impeccable. C'est qu'il met d'autres ingrédients qu'on appelle les épices qui vraiment stimule ou bien qui booste le système immunitaire. Par exemple, il met euh, du clou de girofle, il met du gingembre, il met de la citronnelle, deux fois peut-être euh, euh un peu de cannelle et autres. Donc il y a, il y a beaucoup d'épices qu'il qu'il met dans son thé. Donc ici, les noms même, je peux pas les citer énormément. Mais peut-être en français, oui. Mais par exemple, il y a le agalachan, il y a un il y a beaucoup de choses qu'il met dans le thé aujourd'hui qui font que son thé a une saveur qui est vraiment différente des, des autres. A yau da shekarun hamsin a duniya, Mohamed da Ahumbula Risa ya ɗauki matasa da dama aiki cikin wannan sana'a. Lokacin nan da ni kaɗai ne nake wannan aiki yanzu tun da na faro tan da su France wannan da ya wuce sai yara sun ka fara mai don hankali su ga wanga aiki sun ka zo wani bi ana samun na taxi a koma gida kaɗai haka ne sai bon. Kira guda zan yi ga matasa abin da bature yake ci a fada su mai ci. Paske yau in ka samu sahiya ta waye ka ka tashi da kwana ka wanke idon ka ka san inda za ka taya ka samo dala ka gode ma Allah. Voilà, c'était le portrait de Mohamed Ahumboul Rissa réalisé par Farid Bouraima et rendu au studio par Asumana China. Fanta, pour boucler notre playlist musicale d'aujourd'hui, nous allons écouter le titre Sophonie de la formation dite démocrate. Et c'est parti. Beaucoup d'années ont passé, mais jusqu'à présent, rien n'a changé. Rien. التفهيم ورده التفهيم ورده التفهيم ورده التفهيم ورده سامي قال لي ماما قوي اهو كتا سامي قال لي بابا قوي اهو كتا سامي قال لي بناندو نسنتي متفي تفي بعمي صامي متفي تفي بعمي دمي n'a plus de sens, pied sur terre, la conscience dérangée. J'éteins partout, que c'est ma destinée. Au fond de moi, c'est ça, les autres comprennent pas. On vit, on vit, on vit, mais chacun ses problèmes, voyons. La tête sur les épaules, c'est pas ça qui fait l'affaire. Et le vide en maintien, j'ai jamais voulu, mais c'est comme ça. J'ai mal au corps quand je vois les autres faire semblant, faisant croire que ça va, tout est parfait. Il vit, c'est pas grave pour pas se voiler la face, garder l'anonymat. On n'est pas se faire repérer. Problème d'amour, moi je suis toujours victime. Le mot aimer, j'en crois plus. Le faux veut dire le contraire. Le courage des néo sur cette terre va toujours en poussière. Parce qu'il n'y a personne sur Dieu à qui tu vas prouver tes compétences. Tu me vie, tu restes là. Parce que pour eux, tu ne pourras pas. Ils ne le sauront pas parce qu'ici, il n'y a rien pour toi. Et des vieux qui font la fête et nous, on roule le dos Oh les mecs, ça va aller. C'est le terme approprié pour se consoler. Mais est-ce que ça le fait?

Reste là à regarder les fils de riches grandir. À certaines dimensions, on ne peut plus résister. Pas peu que moi, j'admire beaucoup. On a décidé de ne jamais, jamais se quitter. Excuse-moi, Rasga, si je peux te lâcher. Le moment frappe à ma porte, il faut se déchaîner. Aller loin, on est là pour un esprit Peut-être que là-bas, je veux me débrouiller. Mais il faut pas, je veux me débrouiller. Oh, oh, et oui, sophonie de la formation dit démocrate, euh, cher public, euh, tout en espérant que vous avez kiffé euh, cette belle sonorité musicale. Fanta, poursuivons cette fois-ci avec notre chronique Lotti. Notre chronique Loti, nous évoquons un sujet d'hygiène et d'assainissement. En effet, c'est nous. Dans les villes et villages, les eaux usées sont souvent déversées dans les rues, dégradant ainsi les voies publiques. Cette pratique a un impact négatif sur l'état de santé de la population. Écoutons cette causerie entre Talata Abdou Bahar, Salamatou Kadri et Mariama Diallo sur le sujet. affairage, affairage, affairage. affairage. odeur et toutes ces mouches. Hé hey, Nafi, c'est ça ton quartier hmm, Hamsou, tu vois non, c'est dans ça qu'on est depuis que j'habite ce quartier, depuis six ans. Hé hey, Ikon Allah, mais est-ce qu'une fois tu as parlé avec tes voisins, histoire de les sensibiliser Regarde-toi avec ta morale, ne viens pas me créer des problèmes d'aide. Hé, hey, hé, hey, madame, qu'est-ce qui ne va pas chez vous Vous voulez nous salir ou quoi C'est pour toi la route là ou quoi Regardez-moi ça. Hé, hey, madame, attention, fa. la route là c'est pour nous tous. En l'occurrence, c'est un bien public et vous contribuez à la dégrader. Le saviez-vous Hey, stop, stop, Ousourou. Arrêtez, arrêtez-moi ce vacarme. En plus, voisine, tu ne vois pas comment c'est vilain à voir pas étonnant que vos enfants soient toujours malades. Toutes ces eaux usées attirent les moustiques et résultat, le palu est au rendez-vous. Vous êtes toujours à l'hôpital. Ah, ah. C'est donc ça la cause de l'état de santé de mes enfants hmm, Bien sûr, je n'ai jamais voulu t'en parler de peur de provoquer des tensions entre nous. Donc, voisine, Agara, dans Allah. Hmm. en plus, ce que ta voisine ne sait pas, Nafi, c'est qu'il y a une arrêté de la ville de Niamey qui date de septembre 2017. Cet arrêté dit clairement qu'il est interdit de verser de l'eau usée sur place et sur les voies publiques. Tout contrevenant s'expose aux rigueurs de la loi prévue par les codes d'hygiène et d'assainissement de la République du Niger. Quoi Eh oui, c'est pas tout. On peut te donner ça aux autorités de la ville de Niamey. Il suffit que la personne appelle le 4334. Donc fais gaffe. Et la police municipale ou les gardes sanitaires peuvent te prendre. Mais c'est qui ces gens-là Ce sont eux qui s'occupent de ça. Ils circulent dans les quartiers de temps en temps pour vérifier les devantures des portails et les rues aussi. Icon Allah, vraiment, j'ai échappé belle. Voisine, merci de ne m'avoir pas dénoncée à partir d'aujourd'hui, je ne verserai plus de l'eau usée et le reste de nourriture dans l'eau. Tu sais, c'est à nous qu'incombe la responsabilité de garder nos quartiers propres. Et cela commence par la devanture de nos maisons. En tout cas, la charité bien ordonnée commence par soi-même. À bon entendeur, salut Affairage, <laughs> affairage, affairage, affairage. Voilà, c'était le loti offert par les femmes du studio Kalangu. À présent, on passe à la culture linguistique avec Jackie Dalton, n'est-ce pas, c'est nous Eh oui, Fanta, Jackie Dalton va nous expliquer le mot famille en français et family en anglais. Hello and welcome. Aujourd'hui, nous allons apprendre les mots liés à la famille, en effet. Nous allons commencer avec le mot famille. Savez-vous comment dire famille en anglais c'est family. Family. My family. Ma famille. Maintenant, les membres de la famille. Commençons par les parents. Le père en anglais se dit father. Father. Très difficile à prononcer si vous êtes francophone. Le th, c'est très compliqué. Mais essayez quand même. Father. Et mère, c'est mother mother, father and mother. Passons maintenant aux enfants. Alors, fille en anglais se dit daughter. Ma fille, my daughter. My daughter. Et pour fils, le mot en anglais est son. Son. En fait, son en anglais, ça veut aussi dire soleil, mais c'est écrit un peu différemment. Donc, pour fils, c'est son. Maintenant, écoutons un exemple de conversation en anglais. Do you have any children? Do you have any children? Avez-vous des enfants? Do you have any children? Yes, I have one daughter and one son. Do you have any children? Yes, I have one daughter and one son. Oui, j'ai une fille et un fils. Yes, I have one daughter and one son. Do you have any children? I have no children. I live with my mother and father. I have no children. Je n'ai pas d'enfants. I live with my mother and father. Je vis avec ma mère et mon père. Do you have any children? Yes, I have one daughter and one son. Do you have any children? I have no children. I live with my mother and father. Et voilà, vous avez appris les noms des membres de la famille en anglais. Je vous invite maintenant à faire un petit quiz pour tester si vous avez réussi à retenir. Alors, première question. Quel est le mot en anglais pour famille La bonne réponse, c'est family. Comment dire père en anglais Eh bien, c'est father pour dire père. Et comment dire mère en anglais Eh oui, c'est mother et comment dire fille C'est daughter. Ma fille, my daughter. Et enfin, fils en anglais. Les fils, ils brillent comme le soleil, on utilise le mot son. Family, father, mother, son, daughter. Family, that was today's English word. Merci Jackie. Chers auditeurs, si euh, vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiteriez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à laisser un vocal ou un message écrit au 82 89 89 64. Je dis bien 82 89 89 64. Et justement, c'est nous, nous allons écouter les messages vocaux envoyés par nos auditeurs. ni ne tsaye am ƙasar orafan muna sauraron sidiyo kalangu yana wayar da kan jama'a can da ana cikin 'yan matsaloli ma amma albarkacin ana saurari mutane yanzu sun fara ganiya saboda cikin ɗan lokaci kaɗan ne ake yin shi kenan tunda abin nan yana ci gaba da jama'a yana waye musu kansu ya kamata a ce ma tunda sahi in aka kama shi hammare ce ni muhammad rabi mati suna na wanda aka sani da suna bandar nan ta sawa ina shirin studio kalangu sosai ma a ɗari bisa ɗari muke shirin ta kawai da ya halo ne ra'ayi na bisa studio kalangu gaskiya akwai wani shiri da suke yi na zoki je ki ina ga shirin nago ina ina san shi kwarai kwarai kwarai kwarai tunda akwai abubuwa da ake bayyana wanda mutane ba su ma san da su ba kuma yana ƙayatar da mutane ana sa kamar irin harkar jiya kuma har da yau ma ana sa ciki ni ne mamman sani sama'ila dan kabu kabu bakin likita gindawa e gaskiya labarin studio kalangu muna jin daɗin shuraren su kwarai kwarai e eh, saboda kaga radio tarmamu wannan da sai ka samu wannan studio kalangu muna jin daɗin shuraren shi sosai abinda muke so da su ya kamata a ce a ƙara mai lokaci na wanda al'umma za su jin daɗin shuraren shi saboda labaru wanda ba mu da samun su wani bangaren muna samun su a bisa kan studio kalangu to ni dai suna na haruna lawal sanda likita ne a csc irben eh gaskiya studio kalangu yana muna ji duk information da muka saurara he mu ga kuma realite a zahiri he mu gani kuma sosai a tace yake sosai lahiya lau komi he mu ga normal mun mun dauka ma daga can ne muka rasa daga ina ne a shi da muka yi tambaya mu aka ce abun aka yi daga niyami an he a rarraba shi muke saurara kuma muna jin emission wanda ta burge ni sosai na ga ana an faransi kuma amma mutan he ai traduire a Hausa a ƙara awoyi wanda an ya ƙara ko awa biyu ko awa biyu da rabi eh sunana Ahmed Usman eh, ni mazamni a nan garin Gegime bangaren kalangu tuma musamman harkan suna Midland da suke yi gaskiya muna jin daɗi sosai kuma suna kawo eh, sauyi a cikin al al'amura na yau da kullum kuma musamman abin da suke shirye-shiryen su na awa guda gaskiya da ya kamata ya yi kadan lokacin abin ya yi daɗi ka san idan yake kuma inda zai yi gaskiya ya kamata su kara ko minti talatin awa guda da rabi ya zama kamar inar trant day ina gaida ma'aikatan yan kalangu dukansu kuma musamman yan wanda suke midinal da kuma wanda suke reportage da sauran haraka masu yin dokan na'ura musamman wanda suke yin na'ura da kuma wanda suke tahiya suka dauki rahoto a rahoto cikin gari Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé l'environnement et le changement climatique, le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Voilà, chers auditeurs, nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de moi-même, Fanta Chamsou et Ali Munkela Ousseini alias 50%. Le plaisir était grand de partager ces moments avec vous, chers auditeurs. Le rendez-vous est pris pour demain avec un nouveau numéro et un nouveau duo. Et eh oui, eh, Fanta à la technique, euh, c'était tout simplement Amina Hassan et Adama Dawaki à l'édition. Sur ce, chers auditeurs, ciao ciao, bye bye.